Euh, euh, Nous attirons l'attention de la presse. Il y a de ces propos qui sont source de violence et euh, risquent de déchirer les tissus sociaux. Les Gambiens ont la coutume des élections. Cette élection est symbolique. C'est la première depuis le départ de Yahya jamé Une seule personne sera vainqueur. De toutes les façons, la commission indépendante est seule habilitée à donner des résultats. Tous ceux qui ont à contester iront le faire auprès des tribunaux. Nous euh, comptons vraiment sur l'assistance de la presse parce que c'est vous que tout le monde écoute et c'est vous qui donnez les informations. Donc tout ce que vous aurez à dire doit être quelque chose de traité et de sûr avant de donner les informations. Euh, Eh, jàmm mun naa am waaye itam yéen taskati xibaar yi parce nga yéen yéen la ñëpp di déglu yéen a amee de waaw su jàmm amee su su yéen ay wax yi amee seegal leen ko ba eh, mu leen óor balaa ngeen ko wax parce que euh, ñu ne saa saay wax dëgg waaye ah xanaa xool.